Le 9 février a été sans conteste le point de départ de la lutte triomphale de la cité civile euh, nigérienne avec euh, les scolaires nigériens en tête pour l'installation de la démocratie au Niger. Euh, ce vendredi va à vie basculer euh, la vie de beaucoup de familles qui ont soit perdu leurs enfants, soit euh, gravement blessés ou handicapés à vie. Quoi. Moi, personnellement, aujourd'hui, je pense aux familles de, de Isaac Kene, Maman Sigour et Aliou eux qui sont partis à jamais ce jour. À titre personnel, c'est toujours difficile de, de compter ce qui était arrivé trentaine ans après. Nous étions ce matin sortis de l'université pour une marche pacifique pour dénoncer nos mauvaises conditions de vie et d'études. Mais malheureusement, en face de nous, il y avait des forces de l'ordre qui, elles, sont venues pour livrer une guerre vraiment sans merci à des étudiants sans armes, les mains vides, quoi. Elles étaient déployées dès la veille, d'ailleurs. Euh, elles étaient déployées tout au tout autour du rond-point Kennedy. Elles étaient lourdement équipées. Bon, plus tard, bon, c'est avec le recul, j'ai su que avec les rapports que la police a eu à faire, je ne sais pas un rapport exact ou pas, il paraît qu'ils ont sorti plus de combien, plus d'une centaine d'armes après 130 armes de guerre. Donc 99, 90 pardon, masse 36, des phares, des Kalachnikov, des MP5 et une cargaison de près de 2000 balles réelles pour des gens qui étaient venus normalement maintenir, faire le maintien de l'ordre. C'est vraiment bizarre d'avoir ce, type d'armes. Quand on est arrivé, on était les premiers quand même à, être sur le pont. Euh, ils ont tenté dès le départ de nous bloquer, de nous empêcher de, bien sûr de traverser le pont. Mais bon, on a continué à avancer ils ont essayé de nous bloquer en tirant euh, des balles à blanc, des gaz lacrymogènes. les échafaudés hein, ont duré un certain temps avant qu'ils ne commencent à tirer à balles réelles. Donc je, faisais partie des premiers qui sont tombés. Quand moi j'ai pris ma balle, euh, donc la seule chose dont je me souviens, c'est que je, bon, je, je me voyais au sol en fait. Je suis tombé, j'ai senti une sorte de décharge électrique avant de me voir au sol. Donc je me rappelle, j'ai porté une paire de lunettes qui était cassée, je ne pouvais pas me relever. Donc il y avait des camarades qui m'ont pris, parmi lesquels je me rappelle très bien de Abla Diagondi, Issou Sili, Ali Mambarka. Ils ont essayé de m'évacuer vers l'arrière de la manif. Ils m'ont mis dans un taxi, c'était une, 504 Berlin, je me souviens très bien. Et on m'a évacué vers le CHU. Malheureusement, arrivé au CHU, on est resté longtemps quoi en train d'attendre d'être pris en charge, mais malheureusement rien, parce que certainement que c'est ceux qui étaient là pensaient que <laughs> c'était fini pour moi. Il s'occupait plus des gens asphyxiés, des gens qui ont eu, qui ont eu à respirer des gaz euh, lacrymogènes que de, de s'occuper de moi. Bon, au bout d'un certain temps, il a été décidé de nous ramener, de nous transférer à l'hôpital national. Et là, une fois dans, dans l'ambulance, nous étions quatre à l'ambulance, quatre blessés. Moi, le plus gravement au milieu, et puis trois autres autour de moi. Mais arrivé malheureusement <laughs> sur le pont, commence à frapper les blessés et surtout le pauvre accompagnateur qui était à l'avant du véhicule. Parmi ceux qui frappaient, j'avais, j'ai reconnu un garde républicain d'ailleurs que je connaissais, qui menaçait, injuriait, mais il s'est tué dès que nos regards se sont croisés. Il était gêné en me reconnaissant. Donc finalement, ils ont laissé l'ambulance partir euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'hôpital. Donc ils ont finalement laissé l'ambulance passer, continuer jusqu'à l'hôpital où un monde fou attendait. D'aucuns cherchaient à identifier des proches, amis blessés doit à satisfaire leur curiosité. Mais tous avaient le même visage assombri par le drame qui venait de se produire. Pendant qu'on me transportait vers le bloc, j'avais reconnu des gens qui étaient dans la foule. J'étais la victime, mais ils avaient l'air plus touchés que moi. Il est vrai, en ce moment, mon état inspirait une telle inquiétude qu'on croyait que j'allais mourir d'un instant à l'autre, sans que je n'y pense personnellement. Je perdais beaucoup de sang, mais seule une douleur au coude gauche me tracassait lors de l'évacuation des blessés vers les services de chirurgie. Faute de place, on était allongé à même le sol, quoi. Vraiment. C'est couché à même le sol qu'un infirmier est venu se présenter à moi, me demander qui j'étais, mon identité et voir la gravité de mon cas. Bon, c'est après qu'il a été décidé de m'amener en radiologie et constater les dégâts, une balle dans le cou. C'est ainsi que, après, euh, m'a ramené dans une salle où on m'a m'a pratiqué une anesthésie. Je me rappelle pas un certain docteur Idrissa et puis une dame. Et c'est les docteurs Arifa et docteur ah, Sako qui m'ont opéré ce jour-là, avec la participation du, du colonel Ousmane Gazéré, qui était ministre de la Santé à l'époque. Personnellement, je n'avais pas sur le champ réalisé la gravité de ce qui m'était arrivé. C'est avec le temps en fait qu'on va découvrir. Donc je disais que voilà après donc mon L'opération donc euh, que j'ai subie, l'opération réalisée par le docteur Sako Yarifa, avec la participation du médecin colonel Ousmane Gazire qui était ministre de la Santé. Donc c'est là que j'ai su, j'ai entendu le médecin dire, Sako dire à que j'étais paralysé. personnellement sur le champ, je n'avais pas réalisé. Euh, je ne savais même pas ce que <laughs> ça veut dire. Il me faudra des mois pour réaliser cet état de fait, mais toujours avec la conviction que cela n'était temporaire. quoi. L'espoir et la volonté de m'en sortir ne m'ont jamais quitté. Donc euh, il y a aussi le manque d'informations, le fait de ne pas savoir ce que c'était, ou peut-être que je n'avais pas encore pris conscience de ce qui m'était arrivé. Mais bon, toujours est-il que on se retrouve après paralysé, impossible de bouger. Vous avez que votre tête qui bouge, hmm? paralysé des quatre membres, et vous avez que la tête qui bouge. J'étais tétraplégique au départ. Donc après ça, maintenant, il a été décidé, vu la gravité de, de mon cas, de, de m'évacuer en fait sur euh, une structure où au moins a où c'est plus spécialisé. Donc c'est suite à ça qu'ils bah, ont décidé de, de m'évacuer sur Paris. Je devrais quitter normalement le 13 février, mais malheureusement je ne sais pas pour quelle raison. À l'époque c'était des vols ITA. Ce vol n'a pas eu lieu. Il a fallu le lendemain et donc pour partir pour l'aéroport. Mais juste avant que je ne parte pour l'aéroport, j'ai reçu la visite ce jour-là de Ali Chebou, euh, qui était accompagné du docteur Sako et puis du, ministre Gazéré et chez vous m'a accompagné jusqu'à l'ambulance qui est partie, en fait, qui m'a amené à l'aéroport. J'ai quitté Miami vers 13h pour Paris, où j'étais censé arriver vers les 18h, mais malheureusement, en plein vol ce jour-là aussi, <laughs> il y a eu une alerte à la bombe. Mon avion a été dérouté sur Lyon. L'avion a une fois atterri à Lyon. Tout le monde a fui. Le seul qui n'a pas pu bouger, c'était moi. Je ne pouvais pas bouger à plus forte raison fuir. Donc, <laughs> c'est longtemps après que les, les agents de la sécurité étaient venus fouillé l'avion en essayant de me rassurer, en me disant que tout va bien. Mais bon, ils n'ont pas trouvé de bombe, heureusement. Et après plus d'une heure et demie de, retard, on a finalement arrivé, on est arrivé vers 21h à, Paris, où j'ai été pris en charge par une équipe de, l'hôpital militaire Val-de-Grâce. Donc, euh, arrivé au Val-de-Grâce, donc j'ai été opéré le lendemain de la moelle épinière. Et je suis resté un mois dans cet hôpital avant d'être transféré dans un autre hôpital militaire, euh, l'Institut national des invalides, ou euh, une structure spécialisée dans les blessés par balles C'est un centre militaire et là où je suis resté vraiment presque deux ans, euh, où je me suis battu, beaucoup de rééducation, vraiment. Et ça a été difficile, mais bon, je remercie. Je suis sorti quand même. J'ai commencé devant par un fauteuil roulant, maintenant, avec des béquilles. Et puis voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est long, c'est long, mais c'est ça la vie. Quoi. Donc finalement, l'impact, <laughs> notre vie est réduite à ça. Quoi. Handicapé à vie, voilà. Mais bon, comparé à d'autres, euh, parfois, est-ce qu'on a le droit de se plaindre Malheureusement, on a perdu trois, trois personnes ce 9 février. Le jeune Issa un jeune collégien du CG Rwanda et puis deux camarades étudiants, Maman Seguro et puis Aliona Hanch. Donc, euh, je pense souvent, le 9 le plus moi je pense à eux, à leur famille, parce que moi j'ai dit, bon, j'ai de la chance, je suis encore vivant, même si c'est dans un état, bon, pas terrible, mais bon, c'est pas, c'est pas grave. On est vivant et c'est ça, la vie elle continue. Hein. Ça ne devrait pas nous décourager. J'ai continué après la rééducation. En même temps, pendant que j'étais à l'hôpital, je me suis inscrit, j'ai essayé de ne pas rester comme ça. Je, continuer les études en même temps. Et puis voilà, je, depuis, voilà, je travaille, il une vie, une vie de famille, tout comme tout le monde. Donc, comme je disais, bon, je suis, il y a eu trois morts, donc moi, ça va, je suis sorti avec ça, j'ai eu plus de chance, si on peut appeler chance. Mais quelque part, il y a quelque chose qui fait votre fierté, c'est quand vous voyez les résultats, quoi. On peut, le résultat, c'est, on peut aujourd'hui dire que moi, s'il y a démocratie au Niger, on peut, on peut dire que c'est grâce à vous. Hein, que Vous avez contribué, hein, même si c'est une modeste construite, vous avez contribué, c'est grâce à vous. Grâce à vous, grâce à ceux qui sont partis, qui, sont, qui ont donné leur vie, et puis voilà. Aujourd'hui, les gens circulent librement euh, au Niger, peuvent s'exprimer librement, peuvent faire ce qu'ils veulent, même si d'aucuns disent que ceci, cela, c'est, voilà, ça fait notre fierté, voilà. Les gens votent, choisissent, chacun est libre. Tout ça, c'est quelque chose. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de chances que nous. Ils peuvent manifester en toute liberté sans que quelqu'un utilise des balles réelles contre eux. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Euh, au moins, qu'ils, euh, surtout qu'ils soient plus soudés, qu'ils pensent à l'intérêt général, éviter les divisions, et voilà, penser à à venir travailler, travailler, travailler et voilà, et servir leur pays, quoi.